Aouta, Ibaba, Dondi, la machine te souhaite la bienvenue sur la petite s'exprime. Comment tu vas Ça fait plaisir de te ah, retrouver ici. Ça fait plaisir, on a commencé le combat à la fac. Le combat a commencé depuis longtemps. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oublie celui par la faute duquel il est arrivé à le reparler L'article 382 du Code civil applicable au Niger. Aujourd'hui, sur cette émission, c'est de ton parcours qu'on va parler. C'est de Auta qu'on va parler. C'est de Ibaba qu'on va parler. Qui est Aouta Pour rappel, pour les enfants, qui n'ont pas connu Auta avec le concept Tobay alors, et c'est tout d'abord un jeune étudiant qui avait décidé de pratiquer de l'art et qui s'est lancé en 2013 dans, la musique. D'accord. Et qui a réussi à enregistrer un premier titre. Ok. Et qui l'a fait découvrir euh, au, au public euh, nigérien. À l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle tout simplement Issa Abba. Oui, Tu es né en quelle année En 88. 88. Super. Alors Aouta, c'est quoi ton genre musical Auta, c'est ce genre d'artiste qui essaie de survoler tous les genres euh, musicaux. Qui touche à tout. Qui touche à tout. Comme Foynobi, Et peu importe euh, dans ce que Auta se lance, Ok. il euh, essaie de mettre l'empreinte de ses origines, Ok. que ce soit pas dans les instrumentales, que ce soit dans la langue. Il y a toujours cette identité culturelle qui ressort de tout ce que Auta produit comme comme son et comme message. Genre, le concept, c'est quoi Cover Gida, Gida, Et le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme jamais en crocodile. Ah, Tout a commencé ici au Niger, oui. en 2013. Et tu as évolué comment alors en 2013, et pendant ce temps, puisqu'il y avait le mouvement Afro, Afrobeat qui émergeait, Ok et le terrain était un peu vide euh, au plan local. Donc euh, j'avais décidé de me rendre à Ouaga pour enregistrer mon tout premier single et j'ai eu la chance de côtoyer Adiska. Adiska Ouais, qui est le PDG de Adiska Family et qui a récemment travaillé sur l'album de Magic System et beaucoup d'artistes Bien sûr, on Adiska, ouais, bien sûr. Donc, euh, Adiska, il y a eu le feeling euh, tout de suite et on a enregistré Yetu Yeta avec un autre euh, Nigéro-Burkinabé qui s'appelait Simon. Simon, ouais, Simon je du ghetto. Donc, quand on a enregistré Yetu Yeta et je suis revenu faire la promo, et quand j'étais confronté aux différentes euh, difficultés, puisque tu savais très ah bien. Non, la vie, c'est un en, combat. en 2013, euh, l'étudiant, euh, voilà, c'était. Le les gagnants c'est pas ceux qui ne sont jamais tombés. c'est ce qui arrive à se relever. Toi, bien Donc, sûr. on a continué le combat et j'ai réussi à faire un deuxième single. Puisque, entre-temps, il y a Adiska qui s'est installé à, Niamey. Tout à fait. Donc, les choses étaient devenues encore plus faciles, puisque. Mhm le déplacement ne, tenait plus. Mhm. Donc on a réussi à enregistrer Tobay Donc euh, je me suis dit, bon, comme j'ai commencé avec euh, cette dynamique, mhm. celle de mettre en valeur la, culture nigérienne, je me suis dit, bon, pourquoi pas continuer avec un concept qui retrace euh, notre enfance. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas un Nigérien qui va entendre Tobay et c'est en ça âge, ça va te. Oui, à, faire, à enregistrer Tobé. réussir Tobé. Et Tobé, c'était un succès, on l'a tous Et c'est ce qui m'a révélé au public. Ah, ça t'a révélé au public, après tu t'es éclipsé parlons de l'équilibrement, l'éclipsage, l'équilibre Parlons en fait, de Dariyamou. C'est pas l'éclipsage, c'est j'étais parti en mission en fait. Ok, en moi, mission. Moi je considère ça comme... ce que tu as commencé ici. Absolument, absolument. parle de ça. Tu as eu une vie euh, ailleurs oui, en fait, euh, donc euh, en 2017, 2017. j'ai quitté Niamey pour, des raisons privées, et familiales. Et je précise que c'est pas à cause de la musique que j'ai quitté le Niger, c'est pour des raisons privées et familiales. Donc, euh, arrivé en France, et je me suis installé à Paris. Ah, je me suis installé à Paris. Donc, pour euh, ça oui, j'ai disparu et il y a beaucoup en fait, euh, puisque j'étais présent, j'étais beaucoup plus fréquent sur les réseaux sociaux. Donc les gens demandaient alors, Aouta, maintenant, il n'y a pas un nouveau truc. Et alors que moi, pendant ce temps, puisque quand tu arrives dans un nouveau milieu, mhm. il faut d'abord une phase d'adaptation. Ah, il faut comprendre. Et surtout une phase, euh, une très grande phase d'observation. Tout fait. à fait. Le mec, qui a compris les choses. Apprendre, c'est comprendre. Il a compris et là, il revient avec force avec toute, euh, nest la puissance, euh, n'est-ce pas, d'un Aouta. Alors nous sommes à la fin du premier angle, Mr. Aouta. Nous allons tout de suite maintenant te permettre de placer un mot, un mot de fin. Hein, tout ce que tu viens, que tu viens, parce qu'en fait, ce que nous, nous voulons, ce c'est que les choses changent. Que vous soyez ici ou ailleurs. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est de voir les couleurs nationales rayonner, rayonner, rayonner. L'instant est sur la note. Une minute de temps d'antenne. Tout ce que, tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais dire, en fait, et là, je suis revenu. Et pendant ce laps de temps, j'ai observé une très grande évolution de, la musique nigérienne. Et je pense que nous sommes dans une très bonne dynamique et que les choses sont en train de bouger. Et j'invite tout un chacun, si tu décides de faire de la musique, euh, sache que voilà, il n'y a pas mille chemins pour y arriver. Tout commence par le travail, ensuite vient le travail et à la fin, on finit avec le travail. Il n'y a, que le travail qui paye. Et sur ce travail, il faut ajouter la foi. Mhm. Et la foi, c'est pas seulement le fait de dire que oui, je vais faire la musique. La foi, c'est se confronter à toutes ces difficultés, puisque la musique, surtout ici au Niger, on est surtout en autoproduction. Et se dire que cette foi, c'est le dépassement de soi d'abord. Et la foi, c'est lorsqu'on a espoir, lorsque on n'a plus espoir en fait. C'est ce dépassement de soi. Tout à fait. Tant qu'il y a la vie, il y aura espoir. Ladies and gentlemen, le travail nous éloigne de l'ennui et du vice. La devise du Niger, fraternité, travail, progrès. Genre, on doit fraterniser dans un premier temps, ensuite travailler pour pouvoir progresser. Et bref, fraternisons, travaillons progressons. Machine.